je disais la messe de 9h30. On m'a glissé un petit mot disant qu'il y a un accident au niveau de 6 kilos avec euh, beaucoup de blessés, beaucoup de victimes. Et aussitôt après la messe, je me suis rendu à l'hôpital pour voir euh, avec les urgences. Il y avait beaucoup de blessés, des blessés graves. Je me suis également rendu à la mort pour prier avec ceux qui sont déjà qui ont déjà quitté cette maison pour aller vers le Père. Et je suis allé aussi exactement aussi au district sanitaire pour voir là-bas, rendre visite c'est un événement douloureux, lamentable. Quand j'ai vu même les, décès, j'ai dit, ah, ça, c'est hécatombe. Vraiment, nous prions pour que telles choses ne se reproduisent plus dans le monde, dans le Sénégal plus particulièrement. Et je, présente mes condoléances aux familles pleurer à la communauté et de Capri, la ville de Capri, euh, à tout le pays du Sénégal, car euh, cet accident touche l'ensemble du pays. Et cela doit être tout le monde que nous puissions prendre nos mesures. Parce que nous disons Ndogalu Yala, Ndogalu Yala, mais le plus souvent, Ndogalu Nutila. Les 95% ou 90%, Nyaka Mandula, Nyaka Djel Matwaila, Nyaka Nane, Warne Djel Nyagar Bohamne, ñëpp ku nekk geesu xoolaat ñu xoolaat suñu xel suñu nekkin ak suñu eh, dundin de gën a farlu ah, gën a nous respectons at itam ndaxte loo gis daal ah, a yéenu maana yéenu na maana bopp du yéen nopp waaye xam na ni eh, bopp attan voilà vraiment lu masawu njaboot xam ne am nañu ñu ci décédé ak ñi blessé aussi ñu ngi leen di ñaanal depuis te say suba ba léegi man ak imaam ñu ngi ànd di métti lu ñaan yàlla kër yàlla eh, may ñu xol bu ak gëm ñu xam ne itam léegi nekkul jeexte nous retournons à Dieu parce que nous espérons à la résurrection vraiment nous disons toutes nos condoléances aux familles éplorées et que une chose pareille ne se reproduise jamais dans le Sénégal et que nous puissions exactement revoir comment nous vivons et pour la bonne marche euh, du pays et le bien-être de l'homme. Merci, euh, monsieur le curé. Euh, Bambonio Gundo, euh, euh, C'était le curé de, de mhm.